forum du studio le forum du le forum du studio le forum le forum le forum le forum forum Monsieur, dames, euh, bonsoir. Il est 18h passé de 15 minutes. Euh, merci d'être à l'écoute euh, du studio Kalangu à la présentation Reidat Soumana. Cette plage horaire est consacrée au forum, un espace d'échange avec des invités dans le respect mutuel. Comme chaque vendredi, le forum est consacré au décryptage des faits ayant marqué l'actualité de la semaine avec les confrères de l'audiovisuel, de la presse écrite ou en ligne. Aujourd'hui, nous sommes avec euh, Moutala Mamadou du journal La Griffe. Euh, bonsoir. Bonsoir. Et El Haj Suleiman Mamadou du journal en ligne Niger Inter. Bonsoir. Bonsoir. Nous allons d'abord euh, commencer avec euh, le communiqué de Reporters sans frontières qui dénonçait la condamnation du journaliste euh, Baba Alpha et la réponse du gouvernement à RSF. RSF a ensuite démenti les affirmations diffusées par Télé Sahel qui, lui, a attribué la paternité d'un mail dont elle ignore l'existence. Au niveau des tribunaux à Maradi, hier, le procès de Abdou Danieto, le coordonnateur régional du collectif pour la défense du droit à l'énergie CODAE, a été repoussé de deux semaines suite à l'absence de la partie plaignante. À Maradi toujours, le tribunal a condamné à six mois avec sursis les enseignants contractuels arrêtés pour les troubles constatés lors de l'évolution lors de l'évaluation organisée les 15 et 16 juillet. Dans d'autres localités également, plusieurs enseignants étaient à la barre pour les mêmes motifs. Nous parlerons ensuite de la colère des femmes de Ngingimi, plus de trois semaines après l'enlèvement des femmes et enfants de Ngalewa dans la commune rurale de Kablewa, dans la région de Difa, suite à une attaque de Boko Haram. Enfin, nous évoquerons les huitièmes Jeux de la francophonie auxquels participe le Niger. Merci, chers invités, d'avoir répondu présent à ce forum. Bonsoir à tous. Euh, nous ouvrons ce forum avec le communiqué de Reporters sans frontières dans lequel l'ONG dénonce la diffusion d'informations fabriquées le 23 juillet dernier et diffusées par le média d'État Télé Sahel. Dans un commentaire de Télé dans un commentaire, Télé Sahel a rapporté que RFF, RSF a travers un mail aurait affirmé n'avoir pas rédigé le communiqué relatif à la condamnation du journaliste euh, Baba Alpha et que ce communiqué a été rédigé par Robert Ménard, l'ancien cofondateur de l'organisation. Chercher à décrédibiliser notre parole avec un faux mail est profondément anormal. Nous demandons un démenti de la part de Télé Sahel, a déclaré le secrétaire général de RSF. Par ailleurs, l'organisation réitère son soutien au journaliste Baba Alpha et confirme sa position. Murtala, vous qui êtes journaliste de la griffe, qu'avez-vous à dire par rapport à ce sujet Écoutez, euh, je crois que d'abord, euh, il faut voir euh, euh, la, stature de, Reporters sans frontières, qui de mon point de vue euh, est quand même une instance euh, importante pour la défense des droits des journalistes et la liberté d'expression tout court de par le monde. Alors, quand un journaliste est traduit devant les tribunaux, pour quelque motif que ce soit, RSF a toujours été au devant pour défendre et bien pour exiger sa libération. Ce fut le cas avec notre confrère Baba Alpha, euh, quelle ne fut ma surprise que d'apprendre que RSF serait rétracté. Alors là, je m'étais déjà dans une posture avec euh, certains confrères que j'avais contactés pour que, de mon point de vue, que les journalistes nigériens aient que quand même leur mot à dire pour qu'ils rappellent à RSF euh, son devoir de soutien et d'appui à l'endroit des hommes de médias. Euh, par la suite, euh, cette information s'est avérée ne pas être une parce que ça n'était pas vérifié avec le démenti de RSF. Je dis, quelque part, il y a eu un peu de légèreté au niveau de, l'organe de la télévision d'État, si ce n'est que de la volonté de nuire. Je ne sais pas, je ne suis pas dans, en mesure de le confirmer, mais tout quoi qu'il en soit, euh, il y a eu une faute qui a été commise par cet organe euh, que le démenti donc euh, revendiqué, réclamé par RSF n'est pas subi, n'est pas suivi. C'est quelque chose aussi qui, de mon point de vue, dénote de, à la limite du manque de respect pour l'auditoire parce que quand vous diffusez une information non vérifiée que par la suite elle s'avère être fausse, de mon point de vue, vous avez le devoir moral de dire à votre public quand même que vous êtes trompé. À votre avis, est-ce que Télé Sahel va rédiger un démenti ou pas euh, je vois très mal la, télévision nationale euh, aller dans cette euh, dans ce sens. Sinon, elle l'aurait fait depuis parce qu'aujourd'hui elle a eu tout le temps nécessaire pour pouvoir le faire. mais je vois je vois je les vois pas le faire. Mais elle le faisait, ça les grandirait quand même. D'accord. Elhaj Suleiman Robert Ménard ne fait plus partie de RSF. Selon vous, qui aurait dirigé, rédigé cette euh, semelle euh, Semelle, c'est une fake news, c'est incontestable. Euh, en fait, je pense que mon confrère Mourtala n'a pas suivi dans, dans un article de RFI euh, ils ont fait cas que Télé euh, Sahel a reconnu justement qu'ils étaient, induits en, erreur. Donc, euh, c'est un aveu qu'effectivement, c'était une information non vérifiée qu'ils ont vu, ils ont sauté là-dessus. C'était donc une, faute professionnelle. donc, pour moi, justement, j'ai pas trouvé très pertinent d'attaquer Robert Ménard au lieu d'apporter des de contre-arguments contre Reporters sans frontières. Parce que comme l'a dit Murtala, effectivement, aujourd'hui, Reporter sans frontières, elle euh, a en tout cas sa crédibilité dans le monde. C'est-à-dire, quel que soit le cas de figure, euh, quand un journaliste est en danger, il est en situation face euh, donc à des, situations donc de, de, face à une justice en tout cas aujourd'hui Reporters sans frontières c'est comme Transparency International c'est comme Amnesty International qui en tout cas leur voix compte pour mesurer la gouvernance dans tous les pays du monde. Donc, euh, je pense que véritablement, euh, il a dit, et ce serait pas vraiment euh, euh, maladroit, en fait, ce qui est maladroit, ce n'est pas effectivement reconnaître euh, euh, l'erreur. Bon, comme je l'ai dit, ils ont, confirmé à RFI que c'était induit en erreur. Mais en réalité, en tant que professionnel de l'information, ce qui moi, la réflexion que cela m'a suscité, c'est qu'il faut attention aujourd'hui avec les fake news tant au niveau des réseaux sociaux qu'au niveau de la presse euh, nationale, les gens fabriquent des fausses nouvelles. Et ça, je pense que euh, le seul remède, c'est en tant que journaliste, euh, c'est d'abord vérifier, recouper nos informations. C'est ça qui peut nous permettre, en tout cas, d'éviter. Moi, comme, quand on sait effectivement la façon dont travaille Reporters sans frontières, à lire la, fausse nouvelle dans une était question, Dès qu'on lit ça, effectivement, on doit être tiqué que mais ça là vraiment ça paraît invraisemblable. Merci. Euh. Il y a Ousseini Issa qui vient de nous rejoindre. Euh, Monsieur Ousseini, à votre avis, qu'est-ce qui était visé avec ce FOMEL oh mais, Le FOMEL, qu'est-ce qui était visé D'abord, peut-être le journaliste qui se trouve actuellement en prison. Prenez notre fait n'est pas dans l'exercice de sa profession, mais le principe au niveau du RSF, c'est que quand un journaliste est arrêté, quel que soit par ailleurs le motif, parce que souvent, il y a des motifs qu'on cherche pour pouvoir, quand un journaliste dérange, l'empêcher de parler. Et au niveau national, ce que j'ai déploré, c'est que les Sahel puisse s'en saisir, sans chercher à vérifier alors qu'ils ont quand même les moyens de pouvoir vérifier. Est-ce que ces mails-là, ça émane de vous ou ça n'émane pas de vous Mais comme on est dans une logique où il faut, coûte que coûte, montrer que le journalistes mérite d'être en prison, ils ont balancé directement l'information. Et ce que je suis en train de vouloir dire, c'est qu'il faut que les médias publics, les médias publics, il faut qu'on se départisse de ça. Il faut qu'on crée les cadres pour que les médias publics puissent être des médias et à la disposition pratiquement des citoyens, pas d'un camp. Je l'ai toujours déploré, pas aujourd'hui. Sous tous les régimes, quand les gens viennent, ils veulent montrer que, bon, voilà, c'est un média public, c'est le média public qui l'a dit, et on donne des instructions. J'ai connu d'autres expériences où, comme le Sénégal, comme le Pénin, où on nomme pas les gens en fonction de leur appartenance politique, mais c'est les confrères qui se réunissent pour dire ce monsieur, il, peut gérer. Et là, il s'est dit que ce n'est pas grâce à une, appartenance politique qu'il est nommé. Et tant qu'on ne sort pas de là, on va toujours assister à des choses comme ça. Je me rappelle sous l'ère Barry, il y a eu plein de choses qui sont passées, où des gens ont fabriqué des choses et ça a passé, parce que tout simplement, c'est des médias d'État. Il faut que, parce que les journalistes, ils ne vont pas prendre le risque, parce que j'ai dit c'est un risque quand on est dans Atelier Sahel ou, ou, je ne sais pas, la voie du Sahel, prendre un risque pour vouloir faire une information critique vis-à-vis du régime en place. Merci Ousseini. Donc euh, l'acteur de la société civile euh, Abdou Daneto, coordinateur de la région de Maradi du collectif euh, pour la défense du droit à l'énergie CODAE en prison depuis le 14 juillet dernier, a comparu hier devant le tribunal de grande instance. Le jugement a été reporté pour deux semaines encore. Pour rappel, Daneto a été interpellé suite à une plainte du conseil de ville de Maradi. Il aurait déclaré la vente d'une rue dans le quartier Alison d'Ansofo par la mairie. D'autres autorités locales ont aussi porté plainte contre lui alors qu'il avait uniquement indexé le maire. Murtala de la griffe, euh, de quoi s'agit-il exactement Ces personnes se reprochaient-elles euh, quelque chose Écoutez, euh, je crois que dans ce studio, on a un peu parlé de, cette actualité à son temps. Euh, aujourd'hui, le fait que la partie plaignante ne se soit pas présentée devant le juge euh, dénote quand même un peu du, du, manque de sérieux, à la limite du pittoresque de, de cette affaire. Parce qu'un acteur de la société civile a pour vocation, a vocation d'ailleurs à dénoncer les choses, les, les actes de malgouvernance, de mauvaise gestion dont il a connaissance. Maintenant, une fois qu'il a eu à faire euh, cette révélation, euh, le monsieur a été immédiatement interpellé, mis sous mandat de, euh, détention provisoire, en détention préventive du moins maintenant qu'on arrive au procès, à la phase où tout doit être, euh, euh, les choses doivent être tirées au clair au niveau du tribunal, c'est en ce moment que les parties plaignantes ne se présentent pas. Une façon de prolonger encore sa détention préventive. Je dis, euh, non seulement ce n'est pas sérieux, mais ça prouve quand même que ces personnalités et autres autorités qui, se sont jointes à cette action ou qui ont initié cette action en justice pour pouvoir le mettre derrière les barreaux, ne croient pas, ne croient pas véritablement à leur chance de pouvoir gagner des sortir victorieuse parce que sinon elle serait présentée devant le juge euh, pour euh, défendre leur position. Malheureusement, ça n'a pas été le cas et ça confirme ce que je disais il y a quelques semaines que c'est la volonté de nuire, montrer à l'acteur la toute-puissance de, l'autorité une fois, à chaque fois qu'elle est, qu'elle est euh, indexée dans une mauvaise affaire. Donc montrer la toute-puissance à l'acteur, quel qu'il soit, le lanceur d'alerte, la société civile, journaliste eh ben, par ce même procédé, et eh, les dissuader les autres acteurs qui seraient tentés de procéder à, des actes de dénonciation similaires. Merci El Suleiman. Selon vous, y a-t-il des chances euh, pour que Danieto soit libéré Bon, moi en tant que citoyen, je considère que euh, ce n'est pas le fait de partir à un procès qui est un problème, c'est que lorsqu'on a des garanties justement euh, d'une justice euh, équitable, euh, c'est ça l'essentiel. Cette affaire, moi, en son temps, euh, j'ai pensé qu'effectivement, euh, si c'est une diffamation, en tout cas, si c'est un délit par voie de, presse, la personne en cause pourrait faire un droit de réponse. Ça, par exemple, c'est une voie appropriée qui donnait vraiment à tout le monde pour réparer les faits il a, vous a accusé maintenant, venez apporter la preuve du contraire sur les mêmes médias pour dire que ce qu'il vous reproche, il a menti et voilà. Mais bon, c'est son droit aussi de faire recours à la, justice. Mais maintenant, effectivement, euh, en tout cas, on serait bien intéressé de savoir euh, est-ce que euh, il joue au, en tout cas la, partie donc qui poursuit. donc, franchement, je pense que, en, tout cas, en tant que citoyen, on voudrait bien que les gens aient le courage, lorsqu'ils portent plainte contre les gens, de venir aussi faire face amener vraiment euh, la preuve du contraire de ce qu'on leur reproche. Donc, bon, moi, de mon point de vue, vraiment, c'est une affaire qu'on pourrait vraiment régler par un simple loi de réponse. Euh, franchement, bon, euh, on a dit véritablement les personnes en cause. Il y a donc un plus du maire central, il y a le gouverneur, il y a le maire de Giratawa. Et c'est une affaire vraiment euh, très grave parce que lui, il le reproche d'avoir donc peut-être fait mon bas sur presque un milliard parce que la fondation Abacha qui a, l'université Abacha qui aurait donc donné de l'argent pour un terrain. Donc moi, je pense qu'il a joué son rôle d'acteur de la société civile. Il faudrait véritablement, si ce qu'il a dit est faux, il faut le prouver et par conséquent, on, donne le verdict qu'il faut pour lui. Merci Souleymane Husseini, vous êtes journaliste indépendant. Est-ce que vous avez eu écho des investigations qui ont été faites dans cette affaire Oui, bien, effectivement, j'ai suivi la déclaration qui a été rendue publique par le président de Kodaï, Mustafa Kadi quand j'ai eu la teneur, je me suis dit, on est dans une situation où chacun mange où il est attaché, comme disent la chef mange. Parce que si vous savez que ce qu'il a raconté n'est pas vrai, ça ne coûte rien du tout d'aller dire les informations avec les preuves à l'appui. Ce n'est pas la peine de se harceler. Il est dans son rôle, lui, acteur de la société civile. Si on se met, parce que tout simplement, un acteur, soit il dit on a détourné, s'il l'a dit, c'est parce que peut-être il a des éléments de preuve qu'effectivement ça a été fait. Qu'est-ce que ça vous coûte de venir démontrer que c'est faux, ce qu'il a été fait Mais comme vous êtes en position de pouvoir, vous voulez lui montrer que non, il devait se taire. Comme il ne s'est pas tué, on va le mettre en prison. Et ça ne fait pas fonctionner un pays. Parce que tout simplement, c'est un domaine public. C'est un bien public des gens parce que tu es en situation d'autorité, tu ne peux pas compromettre un bien public. Quand tu compromets, et c'est quoi le rôle de la société civile, c'est quoi le rôle des médias C'est justement de dénoncer ces actes de pratique. Parce que si les médias ne sont pas là, si les acteurs de la société civile ne sont pas là, qui va dénoncer Ce n'est pas les populations à la base. Et quand ils le font, aujourd'hui, de plus en plus, on les menace, on les prend. Venez démontrer que c'est faux. Maintenant, vous démontrez que c'est faux. Après, vous pouvez intenter une action en justice contre la personne. Mais vous ne démontrez même pas, vous montrez simplement que vous avez la force, la loi avec vous, euh, pas la loi plutôt, la force publique avec vous. Vous allez mettre la personne dans une situation. Et je vais, par rapport à, vous, qui avez dit que ce qu'il a fait là, il, a, il a fait une diffamation. Mais donnez-vous les moyens, au moment où il y a le jugement, d'amener les preuves. Si même vous ne faites pas un droit de réponse, donnez-vous les moyens de, montrer qu'il a fait du faux. Et maintenant, vous pouvez enclencher l'autre procédure. Merci Ousseini. Autre affaire en justice, euh, celle des enseignants. Le mardi 25 juillet a eu lieu le procès de 35 enseignants contractuels suite à l'évaluation organisée par le ministère de l'enseignement primaire les 15 et 16 juillet dernier. Ils sont poursuivis pour euh, attroupement non armé et incitation à la violence. Un enseignant de Walam et un autre de Chintabaraden ont été libérés. Dix de Terra condamnés d'une peine d'emprisonnement de dix jours avec sursis, Douze de Bankilare, condamnés à deux mois d'emprisonnement avec sursis. En ce qui concerne les onze enseignants de Tilaberi, le délibéré est prévu pour le 8 août prochain. À Maradi, ce sont plusieurs autres enseignants qui viennent d'être condamnés à six mois avec sursis. Murtala de la Griffe, euh, leur interpellation était-elle vraiment justifiée? Bien, vous savez, il est difficile de répondre pour l'ensemble de, de, des enseignants, mais pour certains, en tout cas, euh, c'était justifié dans la mesure où euh, une évaluation euh, dont vous avez contesté par le biais des syndicats, par le biais de leur structure syndicale, jusqu'au niveau du Conseil d'État, ils n'ont pas eu gain de cause. Alors, le jour de cette évaluation, je ne vois pas pourquoi vous allez vous présenter et empêcher à ceux qui sont déterminés, qui ont qui, sont qui, ont montré quand même leur volonté de, de, passer cette, ce test-là, de, de, vous représenter et d'essayer de leur empêcher cela. Alors, on a, ça me rappelle un peu aussi les, les élections de 2016. La notion du boycott, je crois, elle doit être redéfinie ou définie dans ce pays, malheureusement, parce que chacun se donne euh, une conception du boycott euh, selon son humeur. non, euh, quand vous dites que vous boycottez, vous ne faites pas, mais vous n'avez pas le droit d'essayer d'empêcher empêcher aux autres de le faire. Ce serait quand même une défiance à, l'endroit de, l'autorité et ce qui a justifié et ce qui, de mon point de vue, est tout à fait normal quand des acteurs euh, euh, se donnent la liberté euh, d'essayer, en exerçant leurs droits, d'atteindre aux droits des autres. Oui, que la justice vise. Merci. Elhaj Suleiman de Niger Inter, selon vous, qu'est-ce qui explique cette différence de peine entre ces enseignants euh, bon, je pense que c'est déjà, euh, il faut le dire, euh, la justice a été clémente dans la mesure où véritablement, je suis d'accord avec Mortala. vous avez appelé au boycott, vous avez exprimé votre recours à la justice, vous avez été entre guillemets débouté. Donc, effectivement, aucun État au monde ne peut laisser ce que l'autorité de l'autre soit mise à terre. C'est-à-dire que vous empêcher aux gens de, de, de, qui, qui, voudraient bien se faire évaluer. Ce serait véritablement euh, gênant pour euh, ceux-là qui ont fait euh, cet appel. Donc bon, ça montre une autre logique. En fait, la vraie question, c'est que il y a des pratiques syndicales qui ne riment pas avec l'ordre démocratique, parce que comme il l'a dit, la, la, la, en démocratie, tout est encadré par la loi vous avez la liberté de faire ce, que vous avez. Mais il y, a, des limites aussi que vous, ne pouvez pas franchir. Donc, euh, de façon ramassée, moi, je pense que euh, il faut tout simplement dire qu'il nous faut, en tout cas, si on veut euh, asseoir une démocratie véritable, il faut de la discipline, il faut vraiment du respect des, textes, qu'on soit autorité ou qu'on soit syndicaliste. Il y a un certain nombre de, de normes qu'il faut savoir respecter. Sinon, véritablement, on s'expose euh, à la loi. D'accord, merci. Ousseini, vous êtes journaliste indépendant. À votre avis, quel sera le sort de ces enseignants quant à leur poste et le choc des enseignants, j'imagine que ceux qui n'ont pas, en tout cas, qui ne se sont pas soumis au, te au test, certainement que, je ne sais pas, je suis en train de me projeter dans le temps, qui, vont être remerciés quelque part. Parce que tout simplement, il y a un, texte, test qui devait être fait, ils ne l'ont pas fait. Maintenant, pour ce qui est de l'analyse globale par rapport au, comportement aussi bien des syndicalistes que des hommes politiques, parce que si, si ils l'ont fait, les syndicalistes, parce que tout simplement, ils ont estimé que il y a des mécanismes d'évaluation qui sont déjà là. Et qu'il fallait, il fallait passer par ces mécanismes d'évaluation. Ça n'a pas été fait. Ils sont allés euh, au Conseil d'État. Le Conseil d'État les a déboutés et ils considèrent que, quelque part, parce que j'ai entendu des responsables syndicaux dire que, en fait, l'objectif, c'est de pouvoir un peu dégraisser la fonction publique, parce qu'ils ont le statut de fonctionnaire. Ils n'ont peut-être pas le même salaire que les autres, mais ils ont le même le statut de fonctionnaire de par le statut général de la fonction publique de, 2007. On veut les remercier parce que, la, le, comme avait dit, la, masse salaire a atteint un niveau où ça peut être discuté, de se rediscuter au gouvernement. Comment faire pour pouvoir trouver un moyen de pouvoir libérer Parce que de l'autre côté, le train de vie de l'État, on ne veut pas en toucher. Et quelque part, on s'est dit qu'on peut toucher à cette frange de fonctionnaires, parce que moi je les considère comme étant des fonctionnaires. On les appelle contractuels, moi c'est des fonctionnaires. Maintenant, quelle va être la suite Les gens qui ont été condamnés avec sursis, c'est bien. Mais il ne faut pas perdre de vue une chose. On dit que les contractuels représentent quelque chose de 112 000 enseignants au niveau du primaire ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas, je n'ai pas les chiffres exacts. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'il y a la rentrée qui, qui pointe. On est en vacances. Moi, je dis, le meilleur mécanisme, c'est de chercher à discuter avec ces gens, trouver un terrain d'entente consensuel et faire en sorte que la sérénité, parce que cette année, il n'y a pas eu la sérénité à l'école. Tout le monde le sait. On a fait des examens, mais on a vu les résultats. Parce que les enfants n'ont pas étudié toute l'année, pratiquement toute l'année. Il n'y a pas eu d'école, y compris au niveau du secondaire. Est-ce qu'il faut continuer dans cette lancée je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Merci Ousseini Murtala de la Griffe. Quel sera le sort de l'année scolaire prochaine avec ces profonds désaccords entre enseignants et autorités Bien, on, se posait déjà la même question euh, à, l'approche de la rentrée académique de l'année dernière, de l'année qui vient de s'écouler. Euh, personnellement, je suis dans une position où je ne peux pas répondre à cette question, malheureusement. Pourquoi Parce que euh, les acteurs, les principaux acteurs de l'école nigérienne, qu'ils soient gouvernementaux ou acteurs syndicaux, etc., ont quand même montré à un certain moment leur désintérêt pour trouver une solution durable au problème qui mène l'école nigérienne. Donc, quand vous avez des acteurs euh, qui, d'une part, des acteurs qui, qui, jouent un peu, euh, disons, à la je m'en fous, et d'autre part, des acteurs qui sont comme, qui restent muets sur les questions, qui sont les parents d'élèves et, et, mais aussi les élèves dans une certaine mesure, euh, ça, tout cela, ça fait, tout ça fait un cocktail quand même assez qui, qui, fait planer beaucoup de doutes sur euh, l'année, sur, sur, sur, l'école de façon générale, pas seulement sur cette année. justement, si donc aujourd'hui on est amené à se poser cette question, c'est parce que quelque part euh, euh, il y a des sérieux problèmes et des sérieux problèmes dont aucune solution ne peut être trouvée si les acteurs ne prennent pas la mesure de leur responsabilité et s'engagent pour euh, résolver ces différents problèmes-là. Merci beaucoup. Sur un tout autre plan, à Difa, cela va faire bientôt un mois que des femmes et enfants ont été enlevés à Ngalewa, dans la commune rurale de Kablewa, précisément le 2 juillet. Mais jusqu'à ce jour, aucune information sur leur lieu de détention. C'est pourquoi les femmes de Ngingimi sont sorties dimanche dernier pour manifester leur colère et leur indignation face au préfet Issoufou Abdou Selon elles, les autorités ne sont pas ne sont pas assez engagés pour retrouver et faire libérer ces otages. Pour le préfet, des efforts sont en train d'être faits par le gouvernement. Il a promis de transmettre à qui de droit la déclaration de ces femmes. El Haj Suleiman, quel est votre avis par rapport à l'enlèvement de ces personnes? Euh, on ne peut que euh, déplorer cette situation très très préoccupante. Euh, on a vécu cela au Nigeria sur les filles de Chibok. la communauté internationale, en plus des Nigériens, en tout cas, il y a un cadre qui a été créé, euh, libérer nos, nos, filles. Et cela est arrivé chez nous. Franchement, c'est bien déplorable. Euh, tout ce qu'il faut dire, c'est que véritablement, euh, notre constat, c'est que pour le cas de ces 39 femmes, 39 personnes, on ne sent pas euh, le moment engouement lorsque l'affaire de Chibok a eu lieu, comme tout ce bruit qu'il y a eu, tout se passe comme si véritablement il y a une sorte de silence des, des acteurs euh, même euh, la communauté internationale. Euh, mais je pense aussi quelque part, peut-être, c'est des questions assez délicates, des questions de sécurité. Peut-être que la stratégie utilisée dans ce cas, certes, l'autorité en train de travailler en sordine avec des moyens de renseignement, avec, vous voyez, ce n'est pas forcément faire du bruit qui peut porter loin le a Souvent, arrêté ce que l'effet chercher par les, les touristes en tout cas, pour faire beaucoup de boucans euh, mais euh, moi, je pense que véritablement, euh, c'est une affaire qui interpelle les consciences et c'est vraiment assez grave euh, de telles situations comme j'imagine euh, au Nigeria, ça fait euh, combien de temps La dernière fois, c'était gênant que le gouvernement ait accepté de faire deal euh, en libérant quelques terroristes pour avoir les, filles. donc, je pense que c'est des stratégies très très dangereuses qu'utilisent ces terroristes véritablement lorsqu'on vient prendre des, personnes, dont des, filles ou des femmes dans, la, communauté. Euh, j'avoue que c'est une des situations les plus euh, préoccupantes. Euh, donc, espérons que véritablement les forces de défense et de sécurité qui sont certainement en train de traquer, donc de, rechercher euh, que vraiment euh, Dieu en tout cas donne en tout cas nous aide à retrouver en tout cas filles et à sévir contre ces terrorisme. C'est tout ce qu'on peut dire. Euh, mais vraiment, c'est très, très gênant, cette nouvelle. Quoi. Merci, El Haj Suleiman Vous êtes journaliste indépendant. Auriez-vous une idée d'au moins une quelconque action engagée par les autorités pour retrouver ces filles oh, il y a le cas de ces filles, des femmes et des enfants. Quand ça s'est produit, ils sont venus, on a dit, à dos de chameau et et ils ne sont pas venus euh, avec des moyens mécanisés. Ils sont venus à dos de chameaux. On a militarisé. Je suis d'accord avec ce que les femmes ont, ont eu à dire leur déclaration. Parce que tout simplement, quand vous militarisez une zone, vous avez fait venir des, des, des bases militaires pour pouvoir sécuriser les frontières. Moi, je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre. Ce n'est pas la même situation que le Nigeria. Que des gens viennent prendre des gens en otage et qu'ils parviennent à s'enfuir, la poursuite, quand elle est engagée, elle ne prospère pas. Et on s'était là-dessus. On s'était là-dessus et ça va continuer parce que eux, la stratégie certainement de ces éléments de Boko Haram, c'est d'endormir un peu la vigilance des gens et ils vont venir faire des coups. Et on est là, on observe, et on dit il faut investir dans les moyens militaires. On a investi beaucoup d'argent. On ne peut pas comprendre que si des choses comme ça puissent se passer. Je, je, suis désolé de le dire, mais avant même ces femmes-là et ces enfants d'Ingaloa, mais il y a 32 militaires nous sont portés, euh, dans, la bataille de Karamga. On a dit les les, poursuites se poursuivent, il y a un, machin, une opération de ratissage. Nous, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête Où on met les moyens pour pouvoir sécuriser cette région-là. Où on ne met pas les moyens, ou on débloque les moyens, ou des gens détournent. Il faut qu'on arrête. Parce que tout simplement, quand on dit que on a mis beaucoup d'argent. C'est une zone où je suis resté. Je connais très bien cette zone. Pratiquement, il n'y a pas une région, euh, une, euh, un, un, machin de, de, jusqu'à Goudmaria où on ne peut pas mettre un dispositif de sécurité avec tout ce qu'on a injecté. Qu'on vienne chaque fois dire que non, on est en train. Mais ça fait combien de temps aujourd'hui Est-ce qu'on a eu une nouvelle de, des gens qui sont venus à Pi et à dos de chameau Merci Ousseini. Toujours à Difa, un collectif euh, d'artistes nigériens a organisé le mardi dernier un concert de charité et de paix. C'était aux environs de 16 heures euh, à la Maison de la Culture de Difa. Selon ces artistes, c'est une façon pour eux de contribuer au retour de la paix dans la région. Murtala de la Griffe, euh, selon vous, est-ce que c'était prudent d'organiser un concert vu la situation dans la région? bien euh, prudent ou pas, je crois que les organisateurs de cette manifestation euh, ont de concert avec les autorités en charge de la sécurité, je crois, mesurer le pour et le contre euh, de, de, le faire. Ça a été fait, je crois que c'est une bonne chose quand même que de monter à ces, ces, acteurs terroristes que quelque part, euh, malgré leur menace, malgré l'existence de la présence de cette menace, euh, euh, la vie continue. La vie continue et qu'elle ne s'arrête pas parce que leur menace est suspendue sur la tête des gens. Euh, quant au euh, sujet sur les, euh, les otages, la prise d'otages, je crois que c'est devenu, malheureusement, c'est en train de devenir de moins peut-être, une stratégie de, de, de, de, de la secte Boko Haram. Euh, ce qui est à déplorer chez nous, c'est que euh, on a vu au Nigeria, quand il y a eu l'enlèvement des lycéens de Chibok, une campagne au niveau national pour quand même revendiquer, réclamer la libération des, des otages et qui a pris par la suite, euh, quand le, le, KFU comme, effet fait de taches d'huile de par le monde à l'international des grandes pertes de personnalités, personnalités. Mais ce qui est déplorable, je disais, c'est que chez nous, euh, on a l'impression qu'on a pris les otages et puis bon, voilà, ça s'arrête là. C'est une affaire du sécuritaire. Oui, le sécuritaire peut bien mener des actions pour pouvoir retrouver ces personnes et les ramener de leur famille. Mais euh, avant tout, je dis, euh, ces personnes sont issues comme des familles et ces familles ont besoin et ont le droit de savoir ce qui se passe. Euh, euh, si, on ne, s'active pas, aucun acteur ne, se met au devant de la scène pour faire une campagne, mais quand même que l'autorité qui est en charge de ces recherches-là puisse à un moment ou à un autre dire aux familles, aux familles voilà où est-ce que nous en sommes sur la recherche de vos Ça, ça, ça fait partie de leur droit de demain. Merci. le tout sécuritaire, oui, mais communiquer quand même. À présent, nous allons parler de la participation du Niger au huitième jeu de la francophonie qui ont débuté le 21 juillet dernier à Abidjan en Côte d'Ivoire et prendront fin le 30 juillet prochain. Notre pays est représenté en nouvelles, en chansons, en hip-hop, en peinture, en sculpture et en photographie. Aussi, le Niger est inscrit dans sept disciplines sportives dans le basketball, le football, l'athlétisme, le judo, la lutte africaine et le cyclisme. Mardi dernier, notre compatriote Razak René Jolie a remporté la médaille d'or du concours de littérature dans la catégorie nouvelle. D'ailleurs, c'est l'unique médaille pour le moment. El Hajj Suleiman, euh, un commentaire euh, par rapport euh, aux performances des Nigériens à ces Jeux Bon, vous savez, les Jeux de la francophonie, c'est comme une rencontre. C'est le monde en miniature, en miniature qui qui se retrouve. J'étais vraiment très, très euh, j'allais dire, content de voir euh, la victoire, comment ça a été célébré de, euh, justement le, le jeu Razak René sur sa nouvelle. J'ai vu le témoignage de, de professeur Madame Tiziane Alou qui est dans le jury, qui est une elle est professeure ici à l'université de Niamey. Elle a tenu des propos, en tout cas, qui nous rassurent que le, notre jeune compatriote a vraiment fait bonne impression parce que c'est un domaine même la littérature euh, euh, vraiment très très euh, en tout cas intéressant ce que j'ai suivi. Donc, euh, il a en tout cas fait parler du Niger, l'hymne national a retenti comme, comme on l'a dit. Maintenant, euh, on attend justement d'autres, la suite, la, la, la, lutte, je sais pas le résultat, on est à quel niveau. Je sais qu'on peut aspirer aussi sur ce, sur ce, sur ce terrain. J'ai vu euh, les, les, simulations de nos chorégraphes euh, une fois à la MJC d'Aresuk. En tout cas, euh, on, peut, on a beaucoup d'espoir. Mais comme je l'ai dit, c'est comme euh, au FESPACO il n'y a pas longtemps. Vous savez, c'est pas facile lorsque c'est ce qu'il faut. Il y a du travail à faire dans les compétitions internationales. Vous voyez, il y a des, des, des, des, constantes, les moyens à mettre, mais aussi le travail à faire au niveau d'abord des artistes et aussi l'État qui doit accompagner, euh, mettre les moyens pour vraiment nous donner les chances parce que ce n'est pas tout simplement de la lamentation quand on vient. Les gens qui travaillent euh, euh, au quotidien, quand ils ont des, de prestations internationales, effectivement, c'est par de l'amusement. On voit par exemple le cas d'Alphaga parce que véritablement on a mis les moyens. Et le jeune aussi, il, est, il <laughs> a sa valeur intrinsèque. On voit effectivement que euh, il porte loin le, message. Chaque fois, il gagne. Donc, moi, je pense que c'est un, un, un, un, exemple. Euh, c'est-à-dire qu'arrêter, que ce soit au niveau de, du monde sportif, au niveau de la culture, il y a, qu'on le veuille ou non, euh, des moyens à, mettre en place et aussi euh, la discipline au niveau des, artistes, au niveau des sportifs. il le faut. Par exemple, vous voyez, au niveau de la lutte, nos lutteurs, à comparer avec les Sénégalais, c'est au Sénégal, c'est une profession, là c'est des professionnels. Mais chez nous, c'est des gens qui sont jetés une fois le championnat fini, ils vont en aventure, ils sont dans les champs, ils Vous voyez un peu, je pense qu'il faut de la vision pour qu'on puisse vraiment faire euh, ici notre drapeau un peu plus haut. Merci El Haj Suleiman euh, vous êtes journaliste indépendant. Avons-nous encore une chance dans les autres dis bravo d'avoir au <laughs> jeune Je dis bravo parce que tout simplement, ce qu'il a eu à faire en littérature, moi c'est mon domaine, la littérature. Je considère que c'est une bonne chose, quoi. Dans le domaine de la francophonie, c'est d'abord ça, quoi, la langue française. Il a pu décrocher en littérature, en, nouvelle, euh, la médaille d'or. C'est une médaille de plus. Mais pourquoi, selon vous, ça n'a pas été tweeté sur les réseaux sociaux comme euh, la première fois Je ne sais pas, je sais pas pourquoi, parce que tout simplement, la littérature, je sais pas, quand vous regardez un peu, vous circulez un peu, les gens ne lisent plus, les gens, les jeunes ne lisent plus. Ça la lecture n'est pas une préoccupation. Vous allez au CCFN, vous n'allez pas trouver grand monde, les enfants, même les enfants. Mais maintenant, de manière globale, par rapport à ce qui... dans le domaine du sport, le cyclisme notamment, avant de venir ici, j'ai un peu visionné, j'ai suivi sur une chaîne euh, la, compétition en cyclisme. On a parlé de Burkinabé, des machins qui ont tenté de, faire des échappées. Mais jusqu'à la fin, il n'y a pas eu un seul Niger. Parce que tout simplement, les moyens n'ont pas été mis. Je crois la dame là a tenté, comment elle s'appelle euh, euh, elle a tenté, c'est elle qui a donné un peu de moyens. C'est les moyens de sport, c'est pas autre chose. C'est pas autre chose. Quand les gens n'ont pas les moyens, les fédérations n'ont pas les moyens, ça ne peut pas donner des résultats. Il ne faut pas se faire d'illusions. Quand vous êtes en compétition avec des Espagnols, avec des Canadiens, avec des Français, et que vous, vous ne mettez même pas le minimum, même le conditionnement des sportifs, c'est un problème. Alfaga, on est en train d'acclamer Alfaga. Si Alfaga était resté ici, il n'allait pas être au niveau où il est. Il, est arrivé là. Si c'était ici, il avait fait. Parce que tout simplement, non seulement l'état d'esprit des gens, une fois que tu as gagné quelque. Ça devient. Ça, ça te monte à la tête tournée et tu considères que tu es devenu performant. Ok, Murtala, un commentaire succinctement sur les Jeux de la francophonie. Oui, comme l'a rappelé la Suleiman, euh, le Jeu de la francophonie, c'est quand même euh, euh, un niveau quand assez élevé. Assez élevé, qui, ce qui fait que la, compétitivité, et est rude, la compétition, est rude. Si elle est rude, on ne se réveille pas quand même à quelques semaines des Jeux pour se dire qu'on va se préparer pour aller à ces jeux, à ces jeux et espérer quand même un quelconque résultat. Aujourd'hui, nous sommes tous contents de voir notre compatriote Abdrazak euh, René obtenir cette médaille d'or. Mais Abdrazak n'a pas décidé de participer au jeu de la francophonie il y a quelques semaines. C'est quand même un travail qu'il a battu depuis toujours et dans lequel il s'est engagé. Euh, alors, euh, sur les compétitions, je dis malheureusement les mêmes erreurs que nous avons l'habitude de produire, c'est de regrouper les gens, les athlètes et les artistes au dernier moment et puis on va leur dire, bon, essayez de faire un petit truc, on va aller avec. Alors, tant qu'on va essayer, essayer de faire des petits trucs, on va toujours avoir des petits résultats, et puis voilà, euh, la poisse va continuer. Merci El Suleiman. En 30 secondes, que faudrait-il faire pour les prochaines compétitions internationales Que doivent faire les autorités pour que le Niger brille au jeu Je l'ai dit quand même, euh, l'impression qu'on a, c'est que, en tout cas, euh, le, ministre de la Ressource culturelle le fait, quand même, il le fait bouger les lignes. donc, euh, mais nous l'avons dit, s'il faut des moyens à mettre il faut véritablement qu'il y ait cette culture que, bon, en réalité, qu'on ne se dise pas que le ministère de la Culture, c'est une coquille euh, où véritablement c'est un truc de faire valoir. Hum, c'est vrai, tout est prioritaire ici chez nous, mais je pense que dans la conception du budget, il faudrait qu'on puisse considérer qu'aujourd'hui la culture euh, fait, porte loin le nom du pays. Il y a des diplomaties culturelles aujourd'hui. Euh, on voit avec Arzak, euh, Alpha le Niger est connu. Le, Niger, on parle beaucoup du Niger. Vous voyez donc, en réalité, ce n'est pas un investissement euh, futile. Il faut donc mettre les moyens. Ça, c'est constant. La question des moyens, quand souvent on nous dit nos, nos, nos sportifs euh, vont, euh, vont sortir sérieux ou bien on va se permettre dans un truc chez quelqu'un pour, le pour faire euh, manger. Je pense que vraiment c'est un peu inacceptable. Merci Suleiman. Euh, messieurs, dames, euh, c'est ici que prend fin le forum de la presse de ce vendredi 28 juillet 2017. Nous étions en compagnie de nos confrères euh, Murtala Mamadou du journal La Griffe, Alaï Suleiman Mamadou du journal en ligne Niger Inter et Ousseini Issa, journaliste indépendant. Merci à vous, chers auditeurs, d'être restés à l'écoute du studio Kalangou. Prochain rendez-vous demain à le lundi à 18h15 avec une autre thématique. Au revoir.